le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam. le forum du studio le forum du studio forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey, Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, ce sont le lancement mardi du nouveau programme du studio Kalangou, spécialement dédié à la femme nigérienne. En seconde position, nous parlerons de la pose de la première pierre de la construction du pipeline à Agadem dans la région de Difa. L'actualité cette semaine, c'est aussi le réaménagement technique du gouvernement nigérien. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Rufai Dandoua, journaliste freelance. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par le lancement au siège de l'AFN, l'Association des femmes du Niger, d'un nouveau programme du studio Kalangou. C'est l'espace femmes dédié spécialement à la femme nigérienne. Depuis le 20 août, Studio Kalangou propose chaque mardi un magazine de 2 minutes 30 suivi d'un forum de 45 minutes pour parler de la femme. Rufai Dandoua, votre lecture au sujet de ce nouveau rendez-vous autour euh, de la femme nigérienne <coughs> Merci Mokta. et euh, il faut dire que euh, ce que le studio Kalangu est en train de, de proposer au aux auditeurs ou aux citoyens nigériens que nous sommes. C'est vraiment quelque chose à saluer. Après les jeunes, aujourd'hui, c'est les femmes et d'avoir leurs créneaux, leurs horaires pour, pour parler de, de, tout ce qui engage leur, leur avenir, leur présence surtout et leur avenir. Je trouve que c'est quelque chose à, à, saluer. Nous sommes en train de, de vivre, euh, si on peut dire, euh, une révolution dans l'évolution de la radio au Niger, puisque il faut le dire, je, je, je, parle sous le contrôle de Issa qui est et responsable euh, d'une rédaction, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au Niger. J'étais resté dans, plusieurs radios aussi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de, ce genre d'innovation qui permette aux couches de, la société de s'exprimer, de parler de ce qui les dérange, de parler de leur avenir, de parler de ce qui peut aujourd'hui leur permettre de, prospérer. Aujourd'hui, donner un espace euh, à la femme sur euh, la radio Kalangu, je trouve que c'est quelque chose qui est d'une importance très capitale. Non seulement pas pour la femme seulement, parce qu'au-delà de la femme, comme on le dit, comme on le sait, c'est l'avenir de, toute une nation qui, qui, est en jeu lorsque les femmes ont cette capacité de, de créer, de produire. C'est les jeunes, c'est les hommes, c'est tout le monde qui, qui va en bénéficier. Je pense qu'il faut saluer ces initiatives de la part des responsables du studio Kalangu parce que je le disais, il y avait eu un espace pour le jeune qui aussi avait eu un créneau pour parler de, leurs problèmes, de ce qui les dérangeait et pouvoir trouver des solutions. Je pense que vraiment, ça doit être une école pour euh, tous les, responsables de radio. Et, ça peut, prendre des, des, exemples pour faire des propositions. D'autres aussi peuvent s'inspirer pour permettre qu'il y ait une diversité dans les différents radios et qu'il y ait une concurrence accrue parce que il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, on le voit avec votre studio. Je pense que c'est tout à votre honneur et c'est quelque chose à saluer. Issa pensez-vous que ce nouveau programme du studio Kalangou aura un impact certain sur le bien-être de la femme nigérienne Écoutez, je tiens d'abord à saluer euh, vraiment la dynamique euh, de la Fondation Hirondelle à travers le studio Colangou. Dans sa programmation, on a vu d'abord le forum <laughs> dont nous sommes Le forum de la presse dédié à la, à la presse nigérienne. Suivi de l'espace jeune où on donne la parole aux jeunes. On leur responsabilise aujourd'hui de parler eux-mêmes euh, comme Rufai l'a dit, de leurs problèmes, d'être au devant de la scène, d'avoir le contrôle de leur propre initiative, ce qui va contribuer à la formation des futures élites. On est en train de donner la chance à des jeunes Nigériens aujourd'hui de pouvoir prendre conscience du rôle qui les est dévolu dans la société. Maintenant, un autre programme sur la femme, moi je pense que c'est encore un petit plus parce que cela est en train de révolutionner, Raphaël a dit tout à l'heure, et ça doit servir d'exemple parce que moi, franchement, personnellement, ça m'inspire beaucoup ce que vous êtes en train de faire et j'essaie de le faire de notre côté pour voir comment euh, nous aussi, avec nos moyens, parce que <laughs> c'est tout est question de ah moyens, comment nous on peut le contextualiser à nos réalités un peu pour pouvoir répondre à cette sollicitation. Puisque en donnant la voix pour les femmes, euh, pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est encore une mission d'éducation que le studio Kalangu est en train de contribuer. Moi, je pense que c'est une bonne chose le fait de donner, même si les gens pensent que c'est peu, 2 minutes, 45 minutes. Moi, je pense que même si c'est une minute, le fait que des femmes ont la possibilité, sans distinction de corporation ou bien de, de profession, de profession, peuvent venir se parler, échanger entre elles. Moi, je pense que c'est déjà un pas vers vraiment euh, à, cette révolution où aujourd'hui dans plusieurs pays on parle de parité. Ce n'est plus cette question de, de quota quota dont les gens aiment parler. La question du genre aujourd'hui fait en sorte que euh, tout le monde doit être responsable. De ne pas comprendre que la femme c'est comme si c'est une concurrente. Non, c'est une personne avec qui il faut composer, il faut lui donner sa place en lui confiant des responsabilités, en l'écoutant puisque elle a un mot à dire dans tout ce qu'on est en train de de faire. Moi, je pense que ça, je ne peux que vous encourager. Bonne continuation et vraiment, je pense que ça, ça va avoir un impact euh, dans les jours puisque vous avez ce mécanisme d'évaluation de vos programmes. Issa Madougou. Rapidement, et ce qui est important, aujourd'hui, on parle d'autonomisation, de, leadership féminin. Je pense que c'est là où c'est très important. Ce qui est innovant, au-delà de l'idée que le, studio Kalangou a, a ce n'est pas tant l'idée même de, de créer un forum pour les femmes, c'est d'impliquer les associations féminines, le fait déjà de faire le lancement au siège de l'association des femmes nigériennes prouve que c'est un programme qui a été fait pour elles, par elles, en collaboration avec le studio Krango. Et là, c'est très important. Et elles doivent se dire, les femmes doivent se dire que c'est un mécanisme, c'est un moyen pour, pour elles de dire ce qu'elles pensent. Aujourd'hui, c'est vrai, à un moment, on parlait de quotas. Aujourd'hui, on parle d'égalité en femmes L'égalité, certes, ce n'est pas concurrencer les hommes, non, mais c'est des tribunes aujourd'hui qu'on offre aux femmes pour qu'elles-mêmes, aujourd'hui, parlent de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles veulent, et s'expriment, extériorisent ce qu'elles pensent pour, aujourd'hui, s'autonomiser elles-mêmes. Moi, j'entends par s'autonomiser, pas dire on va concurrencer les hommes. Non, non, aujourd'hui, l'homme et la femme se complètent. Nous sommes à un moment où, aujourd'hui, seul, on ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait la, mutualisation, la complémentarité entre l'un et l'autre euh, sexe. Donc, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi d'impliquer les femmes en elles-mêmes pour euh, faire ce programme. Rufai Dandoua, comment améliorer davantage Déjà, c'est bien. C'est une première. Donc, améliorer, il faut déjà commencer. Quand on commence, on va tout ne va pas être euh, tout d'un coup comme d'un coup de baguette magique parfait. Non, non, ça va, il y aura des, petites imperfections, il y aura des corrections. Avec le temps, on va voir ce qui ne va pas, à qui on doit donner la parole, à qui on ne doit pas donner la parole, qu'est-ce que les gens doivent dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Je pense que c'est avec le temps, avec les émissions qui vont avoir lieu, les 2 minutes 30 et, les 45 minutes, je pense avec le temps, comme on a l'habitude de faire, je me rappelle, on avait commencé le, forum, de, <coughs> la, presse depuis très longtemps, depuis les, premières heures de l'ouverture euh, mm. du studio Klangou, tout n'était pas parfait au début. Nous, on venait, c'était peut-être pour la plupart d'entre nous aussi un début. Avec le temps, on a parfait ce qu'on disait, on, a compris ce qu'on devrait dire pour le bien de la communauté. Je pense que c'est comme ça aussi que cet espace femme va commencer, tout comme l'espace jeune aussi a commencé avec des imperfections. Et c'est avec euh, le temps qu'on va parfaire les choses pour avoir des, programmes dynamiques qui seront bénéfiques pour la société. Issa Madougou, vous participez depuis longtemps, Roufaï l'a rappelé, au forum de la presse du studio Kalangu qui réunit des journalistes pour analyser tous les vendredis les principaux sujets de l'actualité. Quels sont les échos qui vous parviennent moi, j'ai l'habitude de le dire que Studio Kalangu, c'est une école pour moi. Parce que moi-même, j'ai eu à me former à travers euh, le forum. Les échanges qu'on a avec euh, nos confrères, ça, nous apprenons chaque jour. Moi, c'est une école. Le forum, quand je viens chaque fois, c'est une école. J'apprends beaucoup de choses. Et les échos, on ne peut pas participer a eu un numéro du forum sans qu'après la diffusion que les gens puissent t'appeler ou bien t'envoyer un message. Ah, je viens de vous écouter. Voilà, je suis, voilà ce que je pense. Vous avez dit pourquoi vous n'êtes pas allé au bout. En tout cas, c'est tout ça qu'on prend en compte pour que prochainement, quand on arrive, on essaye de répondre à toutes ces sollicitations. Certes, on ne peut pas répondre à, toutes les préoccupations des uns et des autres, mais quand même, on essaie de faire de notre mieux. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire Studio Kalangu est à encourager, car cela permettra aujourd'hui de renforcer la citoyenneté. La radio, d'abord, par les jeunes, pour les jeunes, c'est une bonne chose. Maintenant, la radio, par les femmes, pour les femmes, ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où seul par la communication nous pouvons faire changer les choses. Parce que tant que les gens ne se parlent pas, ne se comprennent pas, n'échangent pas. Chacun reste dans son côté. Nous ne pouvons pas parler d'évolution. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation. Et vous avez créé des espaces à travers lesquels, aujourd'hui, toutes les couches socio-professionnelles peuvent se retrouver et discuter ensemble. Et au finish, il y a cette synthèse qui est faite pour que le commun du Nigérien qui a l'écoute puisse comprendre, voilà, ah, donc par rapport à cette question, voilà de quoi il s'agit. Alors, moi je pense que c'est ça. On, petit à petit, on va remplir cette mission. Et Studio Kalangu je l'ai dit tantôt, sert de modèle aussi pour les autres radios de la place. Parce que nous autres, nous nous inspirons parfois de ce que vous êtes en train de faire pour essayer de le faire à notre niveau, évidemment avec nos moyens et nos réalités. Parce que c'est ça qui fait un peu la différence. Mais moi, je pense que pour finir de donner la <laughs> parole à Rufai, ce nouveau programme doit être vraiment capitalisé par les femmes. Moi, je lance un appel aux femmes, sans exception. Toutes celles-là qui a besoin de s'exprimer, n'hésitez pas. Contactez vraiment euh, le, studio Kolangou pour que on puisse entendre votre voix. Ne soyez pas vraiment des actrices. Et tout est gratuit aussi. Oui, tout est gratuit. Ne soyez pas ces actrices de la rétention de l'information. Parce que c'est ça aujourd'hui qui fait en sorte que moi, par rapport à ces questions de femmes, parfois je suis vraiment en colère avec l'attitude surtout des leaders de certaines organisations féminines. Parce que on ne voit pas le changement. Elle, elle monte sur les plateaux pour dire voilà, nous, nous voulons ce changement, mais nous voyons que vous-même, vous, n'êtes pas capable de changer dans vos comportements. Vous faites de la rétention de l'information. Vous ne préparez pas les, générations futures. Et c'est vous-même qui venez sur les plateaux pour dire que ah, les jeunes filles de maintenant, elles sont ceci, elles sont cela. Pendant que toi-même, maman, tu n'as pas eu le temps de la prendre les bonnes manières, de la responsabiliser par rapport à sa vie même et à la vie de la communauté. Donc, voyez-vous, moi, c'est cet appel que je lance. Voilà une opportunité. Et surtout, je vois beaucoup de gens, connais beaucoup des femmes et jeunes femmes leaders aujourd'hui qui ont de la matière à partager avec d'autres, qui ont de l'expérience à partager avec les autres, qui ont aujourd'hui cet engagement, ce courage de dire, voilà une telle, tu es ma soeur, voilà ta situation. Moi, si vous, tu me rejoins, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Voyez-vous, c'est dans cette vision qu'on peut faire changer les choses. rapidement. Ce qui est important et avec cet espace des femmes, c'est qu'on a longtemps dénoncé le fait que les, vieilles qui occupaient les, anciens, les anciennes associations des femmes, les mamies et cent ans, qu'est-ce qu'elles faisaient elles, ne léguaient pas, elles ne donnaient pas, elles ne formaient pas la, la, nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elles faisaient Elles font leur TDR, elles l'envoient chez les, les barres de fonds, on leur envoie l'argent au lieu de les dispatcher, de faire quelque chose d'intéressant. Non, elles achètent leurs 4x4, tu les vois dans des 4x4, dans des grands forums. Aujourd'hui, c'est important de savoir, surtout aussi au studio Kalangou, de savoir à qui donner la parole. Pas donner toujours la parole aux mêmes anciennes femmes qui sont toujours dans les forums, oui, qui sont toujours, chaque fois quand, il y a des histoires de femmes, le 8 mai, le 13 mars, c'est les mêmes que, que vous voyez. Je pense que à vous aussi, il faut savoir à qui donner la parole pour qu'elle soit bénéfique. Il ne s'agit pas de, de, créer cet espace pour revenir toujours à la case départ. Maintenant, pour répondre juste à la question du, du forum de la presse, je pense que nous, on était les, les, premiers à qui, à un moment, c'était informel. À un moment, on le faisait, on nous appelait, est-ce que tu as le temps pour, le, pour, pour venir Jusqu'à aujourd'hui, formaliser les choses, que ça soit officiel et que nous sachions qu'à que à tel moment nous avons une obligation aussi de, cette obligation aussi qui nous fait dire des choses qui doivent être bénéfiques pour la société. Je pense que c'est très important et ce que nous faisons malgré notre diversité ou nos, différences d'opinion, de point de vue, on le fait dans le, dans le respect, dans la quiétude. La plupart ce sont des grands frères, d'autres c'est des amis, mais on, se chamaille, on se tire, mais quand on finit, on quitte ensemble le studio. Je pense que c'est très important, ça a permis aussi de raffermir certains liens, de raffermir, de faire en, sorte qu'il y ait une cohésion aussi entre nous et le studio Colombo, Même si avant on était des amis pour avoir fréquenté la plupart les mêmes écoles ou les mêmes. Ou les, c'est important. Une, une phrase. Aujourd'hui, à travers ce forum, vous avez formé une famille. Je vous assure, tous ces, tous ces journalistes qui participent à ce forum sont devenus vraiment un groupe fermé, un groupe sérieux les gens s'entraident. Hein. Avant, les gens avaient des mauvaises perceptions. Aujourd'hui, grâce au forum, vous avez pu quand même réunir. Et c'est ça aujourd'hui, et c'est cette unité que nous voulons aussi imprimer à la presse en général. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a procédé il y a quelques jours à Agadem, région de Difa, au lancement des travaux de construction du pipeline international export pour relier le Niger au Bénin. Ce pipeline de 1982 km, dont 1298 km en territoire nigérien, inscrira le Niger parmi les pays exportateurs du pétrole brut. Cette infrastructure estimée à 2800 milliards de France CFA va permettre de restructurer l'économie du Niger, a déclaré Issoufou Mahamadou. On l'écoute. À partir de 2021-2022, euh, le Niger va connaître un taux de croissance à deux chiffres. On pense qu'en 2022, on aura un taux de croissance de 12%. Ça veut dire que ce projet va apporter près de 6 points de croissance. Aussi, ce projet va permettre de restructurer l'économie du Niger. Jusqu'ici, le pétrole contribue pour 4% du PIB. À partir de 2022, le pétrole va représenter 24% du PIB du Niger. Autour de 2022, ça sera à peu près 45% des recettes euh, fiscales de l'État qui viendront du secteur pétrolier. C'est à peu près 300 milliards, 400 milliards de francs CFA. Troisième avantage, ce projet va créer beaucoup d'emplois. On parle euh, en phase de construction du pipe de 10 000 emplois. Mais aussi, ce projet va concerner d'autres installations comme la poursuite du développement des champs pétroliers, comme la réalisation de centrales électriques. C'est près de 120 mégawatts qui vont être installés dans la zone. Mais il y aura également beaucoup d'autres infrastructures socio-économiques qui vont être réalisées dans toutes les régions qui vont être traversées par le pays. Ça sera des classes, des centres de santé, des forages. Issa Madougou, votre commentaire après avoir écouté le président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est beau, c'est un discours euh, qui résonne bien, puisque euh, parlant du pétrole nigérien, pratiquement les Nigériens aujourd'hui disent que mais, je n'ai rien à voir dedans. Parce qu'on nous a tellement chanté des choses par rapport à ce pétrole qu'aujourd'hui, les Nigériens ne constatent rien. Il n'y a pas cette transparence que les gens attendent de voir dans la gestion du. On a vu des pays qui aujourd'hui ils ont pu. Il y a eu des combats autour de la réduction du prix euh, du litre d'essence, euh, des hydrocarbures l'État n'a pas daigné même écouter ces gens-là. Plutôt, on les avait emprisonnés même. Vous vous rappelez au temps où le syndicat des taxis et des propriétaires de taxis avaient commencé son mouvement, les leaders ont été même arrêtés. Par rapport à ce pétrole, moi je pense c'est bien de faire des investissements. C'est bien de le faire, mais à qui profite réellement tout ça Malheureusement, c'est la triste réalité. La vraie malédiction du pétrole, nous, on est en train de le vivre, nous, Nigériens parce qu'on nous dit on exploite le pétrole dans notre pays, on dit que ça va générer des... Même depuis la mise en service de la raffinerie jusqu'à aujourd'hui, où sont les traces Pourtant, il y a des échangeurs, il y a des infrastructures routières qui ont été je suis désolé, euh, mais, <laughs> mais, ce n'est pas le pétrole. Ça, ce sont des, des prêts contractés quelque part. C'est du partenariat public-privé. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle dans ce pays. Le pétrole, aujourd'hui, c'est que nous voulons. Même si on ne sait pas, il faut qu'on ait de la transparence. Les Chinois sont aujourd'hui, c'est comme s'ils sont dans leur propre pays. On les a donné la latitude. On a vu, même au dernier conseil des ministres, Fumoko, il a été élevé au grade de ministre d'État. Parce que c'est des récompenses qu'on donne à des gens, on oublie le peuple nigérien. On dit, ça va générer telle chose, ça va... Mais l'existant même, avant même ce pipeline-là, l'existant même, qu'est-ce que ça a engendré Aujourd'hui, quand on parle, on dit qu'il y a le pétrole nigérien, mais on presse plus les citoyens nigériens dans la mobilisation des ressources internes. Alors à quoi ça sert ce pétrole À qui réellement Parce qu'il y a trop d'interrogations autour du pétrole. Mais que moi, parfois, je me dis que ce pétrole-là, finalement, à quoi ça nous a servi Vaut mieux d'être vraiment accroché à Areva qui nous exploite, qui nous pollue dans le nord. Rufai l'ouvrage permettra au Niger de multiplier par plus de 5 sa capacité d'exportation en faisant passer de 20 000 aujourd'hui à 110 000 barils par jour. Euh, que peuvent espérer les Nigériens de cette manne ou de ce qu'il y aura euh, à côté de celle-ci mon quand on, quand on écoute le président de la République, euh, moi j'ai envie de croire à, des lendemains meilleurs pour le Niger. J'ai envie de croire que demain le Niger sera un pas un pays industrialisé, mais un pays euh, vraiment où tout est enclenché, où tout euh, va rouler comme sur de l'or, où nous serons aussi fiers de, dire que nous sommes au Niger un pays où tout marche. Mais l'expérience ne, pousse pas à l'optimisme. Ce qu'on a l'habitude de voir au Niger, et déjà avec l'uranium, après avec le pétrole aussi, puisqu'on parle du pétrole, quand on avait eu le pétrole au Niger, tout le monde avait pensé que ah, nous allons être un peu comme, pas comme le Nigeria, mais un pays qui a, qui a son pétrole, et pas qui le donne gratuitement à ses citoyens, mais qui le vend à moindre prix à ses citoyens. Parce que c'est le pétrole du peuple nigérien et le peuple nigérien doit profiter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate On se rend compte qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de, de, l'exploitation ou de l'utilisation du pétrole ou de la manne pétrolière. À qui profite ça aujourd'hui Où est-ce que ça passe Aujourd'hui encore, on, on, prend le litre d'essence à 500 combien 540 francs. 540 francs aujourd'hui encore, alors qu'on a le pétrole. Vous voyez, on avait cru, tout le monde avait cru. Il y avait eu des, débats très chauds, rappelez-vous, des débats avec les bonnes Omar quand on disait que non, le pétrole du Niger allait se vendre au, maximum à 300 francs. Aujourd'hui, quand vous partez, peut-être que les gens qui sont à Niamey ne le voient pas, mais quand vous partez eh, déjà à partir de, de, déjà à partir de 120 km, c'est 120 ou 100 combien de kilomètres de Niamey Déjà à partir de Dosso, vous voyez des changements. Et pas grâce au pétrole nigérien, mais grâce au pétrole du Nigeria. Quand vous partez vers Bolbol, vous prenez l'essence à, 300, 250 francs le litre. Mieux encore, un moment, vers Maradi c'était à 200 francs le litre. Vous vous rendez compte Et ce n'est pas le pétrole du Niger. Les Nigériens avaient fondé cet espoir que ce pétrole allant au Niger, c'était pour avoir ça. D'accord, maintenant c'est passé. On espère que ça va changer. On espère qu'avec ce pipeline qui va être euh, construit, que comme l'a dit le président, on va avoir, comment ça s'appelle, euh, ça va générer beaucoup d'emplois, ça va booster l'économie nigérienne et que les Nigériens vont profiter. Pourquoi pas aujourd'hui, avec 100 euh, 000 à 110 000 barils, c'est ça, non Qu'on compare le pétrole à 250 francs. Notre pétrole, pas le pétrole du Nigeria, je pense que c'est à cela que les Nigériens et s'attendre, c'est à la création d'emplois, c'est aux retombées aussi que cela va engendrer, qui va permettre, comme tu l'as dit Mokhtar tout à l'heure, de construire des routes, de construire des écoles, de faire en sorte qu'à partir du pétrole, que l'école nigérienne qui est moribonde, que la santé, aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, même le, le, simple sparadrap, il faut que tu achètes. Simple aspirine, il faut que tu achètes. Je pense j'espère qu'avec tout ce que le pétrole du Niger va générer dans, les années 2022, et qu'on dise, ça va être aussi à l'actif du président, et sauf qu'on dise que c'était Issouf qui a fait ça. Je pense que c'est ça qui va le grandir. Qu'on fasse en sorte qu'il y ait plus de transparence, que le pétrole, comme il a l'habitude de le dire, ne soit pas une source de malédiction mais une source de prospérité. Il faut que le pétrole du Niger ne soit pas comme l'uranium du Niger. Il faut que le pétrole du Niger soit la base du décollage économique, du Niger où tous les fils du Niger vont profiter, pas seulement, et comme l'a dit Issa, par exemple, avec le, réaménagement technique du gouvernement, que ce sont des gens, un gros puscule de citoyens nigériens, des super nigériens, eux et leurs enfants seulement qui vont profiter pendant que la grande partie du peuple est en train de souffrir. Aujourd'hui, on dit par exemple la santé pour tous, les premiers soins, aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, on, se rend compte que ce n'est que le discours politique. Issa Madougou, rapidement. Oui, par exemple, je voulais ajouter que ce pétrole, on veut croire au président, au propos du président. Mais ce que ce qu'on train de constater sur le terrain, c'est ça qui vraiment parfois nous bloque dans notre réflexion. Parce que quand on voit que ces mêmes, ces mêmes sociétés, ce, groupe de sociétés euh, chinoises qui exploitent le pétrole, la CNPC, qui a créé des sociétés, on ne sait même pas comment ça fonctionne dans le secteur, qui n'arrive même pas à verser les redevances aux, collectivités. Aujourd'hui, est-ce que c'est à la CNPC de, non, c'est à la société. Non, c'est à la société. pas au gouvernement de. Non, non, non. Est-ce que c'est le gouvernement qui, qui, non Il y a combien de fois dont les élus se plaignent oui, la preuve, on se plaint de, Par exemple, quand vous prenez Tanout, qui est la plus grande agglomération quand vous quittez la Soraz, Tanout a manqué d'électricité pendant des mois. Il a fallu que les populations sortent dans la rue pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons donner la route qui passe par Tanout. C'est maintenant qu'on vient de la lancer combien d'années avec Mais les même le financement de l'Union européenne. Oui, avec le financement de l'Union européenne, évidemment, ce n'est pas la Chine. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les Chinois qui ont financé. Les Chinois n'ont rien financé. C'est ça. Même à Zender, ce qu'ils ont promis à Zender, est-ce qu'ils l'ont fait Jusque-là, il y a... la dernière fois, moi je me rappelle la sortie médiatique de la société civile de Zender. Ils ont réclamé à ce que ce que Soraz avait prévu de reverser aux collectivités de Zender, que la Soraz doit les verser. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme. C'est comme si on laisse les Chinois. On a vu ces gens, s'ils ont renvoyé des Nigériens, rien. C'est comment un ministre dans le litige qui a opposé ces, fonctionnaires nigériens à leur patron. Le, ils ont été renvoyés, le ministre a écrit une lettre pour dire non, il faut les laisser reprendre leur travail. Un directeur qui est venu euh, à des milliers de kilomètres du Niger qui il met en cause la décision du ministre. Voilà, c'est des choses, c'est des actes. Hein qui se sont passés, C'est ça qui nous empêche aujourd'hui de croire, d'espérer à un changement, que ça soit vraiment le moteur de cette prospérité. C'est parce qu'il y a des petits détails que le gouvernement peut prendre. C'est des questions de souveraineté. On l'a vu, Idriss Déby, c'est la même société qui exploite. Quand il y a eu des années, rien que sur le plan environnemental, il a pu renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, vous avez vu tout récemment le nombre de médecins qu'il a recrutés. Tout ça, ce sont dans les retombées du pétrole. les Cubains qui étaient Oui. Tous ceux qui ont fait Cuba à mm. en médecine ont été directement recrutés à la fonction publique au Tchad. Mais il y a des petits détails qui relèvent même de la, des questions de souveraineté dont on n'est pas capable de régler. Alors comment on peut espérer En fait, vous savez, euh, rapidement. quand il y a des ministres qui ne pensent encore qu'au ventre, au, Niger, c'est malheureusement le cas. les, expatriés, quand ils viennent, ils se disent bon, dans tous les cas, c'est du Niger, il suffit qu'on voit tel ministre. Et on essaie de. On, on, on corrompt facilement les, autorités et ça passe. Et conséquence, aujourd'hui, la Chine crée un État dans un État ils font ce qu'ils veulent, personne ne leur dit rien parce qu'ils savent qu'il y a une certaine les faiblesses une faillite de l'État et ils en profitent. Et aussi longtemps que cela va continuer, ce, débat aujourd'hui est en train de se faire par, chez les grands spécialistes sur le plan euh, africain, la place que la Chine est en train de prendre dans nos pays. Pas sur ce qu'ils font, d'accord, mais ce qu'ils sont en train de prendre de l'Afrique en Afrique. Et là, c'est un danger pour l'Afrique. Le président de la République Issoufou Mahamadou a élevé vendredi dernier le ministre du pétrole Fumako Egado au rang de ministre d'État. Après le froid qu'il y a eu plusieurs mois, Massoudou Hassoumi revient en force car il est désormais ministre d'État à la présidence de la République. Une permutation est intervenue entre Issoufou Katambe qui prend la défense nationale et Moutari qui va s'occuper de l'hydraulique et Al-Kash al intègre nouvellement l'exécutif en prenant le volet sécurité publique auprès du ministre de l'Intérieur, Rufai Dandoua. Quel enseignement tiré de ce réaménagement technique du gouvernement Le, grand enseignement qu'on peut tirer, c'est déjà, déjà et le retour de, Hassim Hassou qui, qui avait quitté par la petite porte. On se, rappelle de son éviction hum, qui, avait l'air d'une humiliation. Vous vous rappelez, il était à, à Maradi en mission lorsqu'il y avait eu un décret et présidentielle qui, qui, le suspendait de, de, ses fonctions euh, après la traversée du désert, je ne sais pas combien de mois, 6, 8, euh, un an, presque un an. Et aujourd'hui, il est réhabilité, il a eu le poste, même si c'est un poste hein, et sans portefeuille. Et, vraiment, il a eu quand même, oui, c'est le ministre d'État à la présidence, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que tous les grands dossiers vont passer par lui normalement. et, et vraiment, il, a, quitté par la petite porte et aujourd'hui, il a été réhabilité par le président de la République. Ça prouve aussi que eh, il pouvait laver le linge en, famille ou sur la place publique et aussi maintenant se, se, faire réhabiliter entre eux. Et aussi, eh, le, comme l'avait évoqué Issa à un moment, la promotion qu'a eu eh, Fumokoi et d'être aujourd'hui nommé ministre D'État, quand vous regardez et ce, réaménagement technique du, gouvernance gouvernement, ça n'a concerné que le, parti, le principal parti au pouvoir. Les partis membres de, la mouvance, aucun n'a été eh, promu. aucun n'a été touché c'est une sorte de, jeu de chaise musicale entre les grands de Pendesk. Il y a beaucoup de choses qui se disent en, en aparté et sur, par exemple, euh, le ministre de la Défense qui était, tenez-vous bien, à Maradi pour une. Il y avait eu un tournoi des militaires à Maradi et qui a été, il était là-bas sur place quand il avait eu la nomination, et je parle du ministre de la Défense, Kalla et il a été ramené au poste du, professeur Katambe, qui est. Kala, Oui, Kala qui semble être un intouchable, un, fidèle parmi les fidèles du, président de la République. Aujourd'hui, il a été promis. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et on ne va pas revenir parce qu'il n'y a, pas des arguments solides qui soutiennent cela. Mais aujourd'hui, quand vous, quand, vous, quand vous regardez de manière lucide tout cela, moi je pense que le président est en train de, resserrer son, son clan, son rang à, l'avantage de qui Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est soit à son avantage ou à l'avantage de, de Bazoum, mais c'est est sûr aujourd'hui, je, je sais qu'en nommant par exemple Al-Kash au, au, ministère de l'Intérieur, euh, oui, c'est la sécurité publique, je pense que moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que je me dis que demain, si la candidature de Bazoum passe, c'est lui qui va être promu, donc c'est lui qui va organiser les élections. Vous, donc vous comprenez qu'il y a trop de calculs dans le réaménager. Puisque moi, j'avais dit aux gens que le président n'allait pas remanier en profondeur son gouvernement. Il faut peut-être février, mars. Pourquoi Parce que normalement, quand vous êtes candidat, vous, êtes, vous devrez quitter. Et normalement, c'est sur cela le gouvernement pourra aller battre campagne. Donc, s'il fait un, un, réaménagement en profondeur de son gouvernement, il faut février, mars. Là, il a fait un réaménagement technique et, stratégique de son gouvernement pour resserrer le rang et maintenant montrer aux gens que oui, le PNDS n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Et ça, c'est ça le grand message que je tire de ce réaménagement. Rufai Dandoua, vous êtes attardé sur le comeback euh, du ministre Massoudou Hassoumi euh, au gouvernement. Qu'est-ce qui a motivé ce retour euh, Vous savez, et pour, pour, pour, ceux qui connaissent l'histoire euh, politique du Niger. Pour ceux qui connaissent l'histoire des relations entre Youssouf et Massoudou, ce sont des liens très forts qui unissent ces deux-là. Ils ont eu des problèmes. À un moment, le président Youssouf avait tapé du poing sur la table pour dire merde, arrêtez, et le parti doit être uni autour de, tous ces militants, pas pour une seule personne. Ils ont tapé sur la table, ils ont fait partir les eh, Mais à aucun moment, à aucun moment, les, les, discussions entre entre eux n'ont été interrompues Vous vous rappelez lorsque Hamas avait eh, reçu les, femmes du, du, PNDS quand il disait que les se en famille, et c'est bien lavé, même si, même si il avait refusé tout. Et, eh, de, toute apparition euh, médiatique ou publique, on ne l'avait pas vu, mais ça, ça veut dire que ça, se, ça négociait en bas. Et aujourd'hui, en revenant avec le poste du ministre d'État à la présidence de la République, ça veut dire que tout ce qui a été fait, bon, on ne pas dire que c'est du charabia, mais et ça veut dire que entre eux, il y a des liens forts et qu'aujourd'hui, en le ramenant à la présidence de la République, où il va gérer, les grands dossiers, le président, le président est président en exercice de la CDAO, euh, il est, en euh, G5 Sahel, le président, vous l'avez vu, ce qu'il a fait aux, Nations Unies, ça veut dire qu'aujourd'hui, en amenant euh, M. à ses côtés, c'est qu'il va gérer les grands dossiers. Issa Madougou, à quand espérer ce changement tant souhaité par les Nigériens au niveau de l'exécutif ben, écoutez, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le PNDS a déjà lancé le mot d'ordre pour dire aux gens que le PNDS est là. Le PNDS ne va pas bouger d'ici tôt. C'est ça, quand les, les, gens, tous ceux qu'ils ont, il y a l'ordre de préséance même au niveau du comité exécutif national qui a été respecté. Bazo, ministre d'État, Fumoko, ministre d'État, euh, monsieur ministre d'État. Même si pour Foumouka on peut dire c'est parce qu'il a joué un jeu, un jeu il a amené Fumoko, oui. monsieur Oui, oui, pour être. Euh, euh, euh, comment on appelle, bombardé ministre d'État, c'est parce qu'il a joué un rôle. Et on n'a pas besoin de se dire, tout le monde sait comment ça, ça se passe dans ce pays. Quand vous prenez Massaoudou, moi, le retour de Massaoudou, ça ne m'a pas surpris. Depuis qu'il a quitté le gouvernement, j'ai dit, c'est juste une leçon que Youssouf bien une mise en garde que vous voulait faire à d'autres qui ont des intentions qui ne voulaient pas respecter ces, ces mots d'ordre. Voilà ce qui peut leur arriver. Mais il fallait toucher Massoudou, l'homme des missions suicides. Il est venu, un temps, il a fait ses missions, quand même dans ses propos, du cabinet, du poste de ministre directeur de cabinet, dans toutes les affaires dont il a été vraiment épinglé, ou bien on dit qu'il est, il est à la base. Vous ne vous rappelez pas de sa, phrase fétiche Je suis en mission. Je suis en mission et j'ai le devoir de remplir cette mission. Alors il est encore revenu, certainement encore avec des missions suicides, kamikazes, que lui seul peut le faire. Parce que non, il faut reconnaître, même si l'homme n'est pas aimé par certains, moi je pense que partout où il a passé, quand même il y a eu de l'ordre. Oui, vous rappelez de la douane, il a, amené de l'ordre. Il, a amené de l'ordre aujourd'hui uh-huh. dans les finances publiques. Dès qu'il a quitté, les gens ont senti que non, il y a eu un changement. Les mêmes magouilles ont recommencé. juste entre parenthèses, beaucoup avaient euh, dit à l'époque que mm. s'il n'y avait pas eu Oudou au ministère des Finances, à un moment, euh, on ne payerait même pas le salaire au Niger. Le monsieur là, c'est quoi qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un bosseur. C'est pour certains, c'est un mal nécessaire. C'est quelqu'un qui peut dire la vérité. Moi, je me rappelle d'une de, de, de, euh, rencontre avec les douaniers quand il leur a dit je, vous dis la vérité, faites ce que vous voulez. Et tout puissant qui sont les, les douaniers, ils n'ont rien pu faire. Vous voyez, ce monsieur-là, hmm, qu'on soit du PNDS ou qu'on ne soit pas quand il y a des gens qui travaillent comme Mossoudou, il faut leur donner la possibilité de travailler, pour le bien de la nation. Voilà, tu continues, Issa Oui, oui, effectivement. Il a fait ses preuves, donc voilà, le président a besoin de lui pour finaliser son mandat. Et c'est obligé qu'il le rappelle. On a vu ce changement de chaise entre. Euh, entre euh, Katambe, Katambe, le connaissant un peu dans ses gestions, on a vu comment il a géré euh, Tawa Sokola. Euh, quelqu'un qui est vraiment très poussé dans le truc de, l'efficacité de la dépense. C'est-à-dire, lui, c'est la bonne gouvernance. Et donc, on sait que dans la défense, c'est des milliards qui sont engloutis d'une manière qui n'est pas du tout orthodoxe, qui ne respecte aucune procédure de bonne gouvernance. Donc, on peut espérer avec Katambe que les choses puissent changer. Puisqu'on a coupé dans les secteurs sociaux, au niveau du budget national, pour grossir le budget de la défense. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'avec Katambe, on peut espérer un changement. Maintenant, avec Alcash, on peut dire qu'on est en train de préparer déjà un nouveau ministre de l'Intérieur, si Bazoum quitte euh, le, ministère euh, pour la campagne présidentielle. Mais moi je pense que globalement, est-ce que le président a besoin de demander aujourd'hui les autres alliés les autres alliés, le PNDS est tout puissant aujourd'hui. Il n'y a pas, les alliés sont là. Si vous n'êtes pas content, allez, partez. Maintenant, aujourd'hui, personne ne peut imposer quelque chose au PNDS. Même dans le gouvernement, ils sont plus nombreux que tous les autres partis. Euh, aujourd'hui, les quatre euh, euh, les, ministres d'État, Bazoum, Fumokwe, et, et Albade, c'est Albade seul qui est ministre d'État qui n'est pas du PNDS. Et lui, on ne sait pas jusqu'à quand. Sur la tête, il va aller aux élections présidentielles. Mais quand même, moi, je pense que quel changement on peut espérer On a pu, eh, le seul changement, on l'a espéré par rapport à la réduction de la taille du gouvernement. Mais à combien de reprises il y a eu ces aménagements techniques où la taille n'a pas bougé Alors, ça a augmenté même de, ça, ça, ça, même augmenté encore. Euh, Donc, moi, je pense que c'est ça ce que les Nigériens attendent. C'est toujours la montagne qui a accouché eh, d'une souris. Donc, on ne peut pas. C'est juste aujourd'hui c'est que c'est un repositionnement stratégique qui a été fait, un resserrement du noyau dur du PNDS autour du président. Parce que Aujourd'hui, vous le savez, le président a besoin de ses fidèles parce qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe au niveau de ses agissements, de son comportement dans la, dans la diplomatie. Le président s'est prononcé aujourd'hui sur des questions brûlantes des questions brûlantes aujourd'hui qui le président a besoin aujourd'hui de ces hommes de confiance autour de lui. la question de Kidal, la question de l'écho, mhm. dont on a vu des chefs d'État africains qui espèrent que l'écho soit un prolongement du CFA pendant que des présidents comme Issoufou Mahamadou et du Ghana et Bouhari et autres ne sont pas d'accord, mais que ça soit une monnaie où les comptes d'opération sont gérés par l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, dans ce genre de situation, il faudrait que vous ayez vraiment l'état-major qu'il vous faut, vos hommes de confiance autour de vous pour conduire toutes ces politiques. Et aujourd'hui, avec un Rassemblement Massoud, un ministre à tout faire, ministre, tout puissant ministre d'État à la présidence, voyez-vous, et ceux qui ont eu qui sont dans le PNDES, les arrivistes, puisque un vrai militant du PNDES, quand il y avait eu le départ du pays, il ne peut pas se prononcer. Certains arrivistes, on les a vus faire leur petit bambou là quand Massaoudou a été éjecté pour faire leur petit boucan qui ne savent rien de comment ça se passe au sein du PNDS parce que c'est des arrivistes qui sont venus changer de quoi manger. Et aujourd'hui, ils doivent se rendre à l'évidence que c'était un message qui a été lancé aux autres barons du, du pour dire que quand une décision a été prise, vous êtes assujetti à cette décision. Vous ne respectez pas cette décision, alors vous assumez les conséquences. Rufai Dandoua, rapidement, quelles sont concrètement les attentes des Nigériens Les Nigériens, euh, euh, maintenant, ils n'attendent plus, je crois qu'ils n'attendent plus rien, mais c'est que l'autre analyse qu'il faut faire, c'est que euh, avec ce, léger réaménagement, technique du gouvernement, c'est que le, le PNDS assoit son emprise, sa domination sur les partis de la MRN et au-delà sur la politique du Niger. Aujourd'hui, au sein de la majorité, vous n'entendez plus parler du MNSD, Tseni est effacé et Albade aussi, les autres partis n'en parlons pas. L'opposition aussi n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous regardez la scène politique nigérienne, vous vous, rendez compte qu'il n'y a que le PNDS qui est là. Et malheureusement, on est en train de partir vers les élections de 2021. Comme ça, les élections qui auront lieu, et quoi que disent les gens, et le PND semble être le seul parti prêt aujourd'hui pour aller aux élections. Et c'est ça le, danger de la démocratie nigérienne, c'est que le PND est en train de craser tout, d'écraser tous les partis politiques. Et c'est vraiment un danger permanent pour la démocratie du Niger parce que les partis du Niger se sont laissés piétiner c'est comme, comme un éléphant face à des, petits, et des petites mouches, des petits crapauds. Comment, comment, euh, euh, on, est arrivé à là ah, Mais attendez, c'est l'ambition. Lorsque le PNDS met en place une stratégie de, de, conquête et de gestion de pouvoir pour 2040 ou 2045, pendant que les autres sont en train de dormir, vous voyez la différence. Ils ne sont, pas convaincus même des, des idéaux qu'ils sont en train de défendre. Moi, aujourd'hui, ce que le PNDS est en train de faire, c'est que le PNDS ce que le PNDES est en train de faire, moi, je suis entièrement d'accord avec l'idéologie du PNDES. Parce que si vous avez en face de vous des gens qui sont dans l'incertitude totale, à bout moment, ils ne, ils réfléchissent que euh, en fonction de leurs intérêts. Dans l'instant, il n'y a aucune vision dans le long terme. Comment voulez-vous que les choses puissent changer Aujourd'hui, vous avez demandé l'attente. Ce que les Nigériens veulent aujourd'hui, c'est que le processus actuel qui est en cours, euh, les élections se déroule dans la paix et la sérénité. Les Nigériens aujourd'hui, c'est de ça seulement les Nigériens ont besoin. Maintenant, d'autres calculs politiciens, les Nigériens n'en veulent plus. Les Nigériens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, dormir en sécurité, se réveiller, voilà, se réveiller en sécurité, aller travailler, trouver de quoi manger et revenir. Maintenant, les calculs politiciens, les Nigériens ne sont plus dedans. On laisse les politiciens. Aujourd'hui, on est en train de regarder un beau film, le pain qui écrase tout voilà, voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Rufai Dandoua, journaliste sportif, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre euh, le programme des jeunes du studio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum en Hausa et en Zarma. Merci Merci, au revoir.